bi am solo am solo mooy euh, liñ ci gis rek ko mooy xam nañu maanaam euh, li fi fi àdduna bi toll ci wàllu ñaw ko aujourd'hui xam nañ tamit euh, li nga xamante nekk mooy fi ñaw toll ci bi fi mode bi toll aujourd'hui non xam nañ ko ak ak suñu gan gi muy Joël je muy suñu conseil volontaire bi jógee Canada xam nañ tamit lan mooy ñëwi dans l'avenir donc loolu permettre nañu aujourd'hui ba yaakaar nañu fii ci kanam dinañ def tout ba changer mode bi fii au niveau national nañ indi daal tous yoo xamante nekk ni euh, boo demoon foo mënti àdduna bi da nga gis que ni loolu moom moo nekk euh, au top. loolu nag man euh, en tant que formateur yàgg naa ko seetlu même suñu école yi ñu yore mu ñu seetloo jigéen ñooy gën a nangoo ñoo formé wu. loolu nag day wane ni yaakaar naa fii ci kanam tuuti bu ñu sàggoonul jigéen ñi nañ nangu ni ñuy wax métier ñaw parce que ñoom ñoo gën a nangoo dem jàngi defi formation. dans les centres donc lool nak day waye ni rek ñom ñu ëpp vraiment seen seen motivation dal gis nañu daal taxaw na bu baaxa baax ci atelier yeeg fep fuy ñu formation en en en en couture. Wa ñu taxol sababu atelier bi. moy rek revoir fu ñëw toll xol technicité yi fu ñu toll ñu ngi fex ko def te lool am nañ ko jangal nañ ko donc lool rek moy waye ni ëlëk euh, dinañ mën def dinañ fexé ba satisfaire suñu client. Euh, salam alaikum, je m'appelle euh, Joël Collin, euh, je viens du Canada et je suis venue ici pour former ce magnifique groupe de, de femmes en coupe et couture. Et puis au cours des deux semaines, on a vu la veste et le pantalon. Et je suis vraiment impressionnée du talent que j'ai vu ici. Et euh, puis, euh, j'ai hâte d'aller partager mon expérience euh, chez moi à Montréal. Pour moi, je suis très inspirée par la mode africaine. Si vous euh, même regardez les défilés en ce moment, euh, que ce soit en Europe ou à New York, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'influence de la mode africaine. Et donc, c'est ce qui a piqué ma curiosité pour venir voir ici. Mais après coup, j'ai découvert des gens vraiment fantastiques, des gens vrais, passionnés et puis qui travaillent fort. Et puis, euh, j'ai vraiment aimé les rencontres que j'ai faites ici. Oui, très peu de temps. Il va falloir revenir. Euh, j'ai vraiment expressé mon expérience. Euh, ce sera vraiment une destination que que je vais je verrai dans le futur pour venir visiter quoi, parce que j'ai pas eu vraiment le temps d'aller découvrir. Je m'appelle M. Elage Diouf. Je suis le directeur pays du service d'assistance canadienne aux organismes. Mais comment s'est déroulé le programme? nous avons déjà une, un partenariat avec euh, la Chambre de commerce de Thiès mhm. depuis quand même plus de cinq ans. Et ce partenariat nous a permis quand même de pouvoir euh, toucher un nombre important de PME, PMI ici au niveau de la région de Thiès. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu, euh, disons, un, accord de travail, j'allais dire un plan d'action avec Béjou Couture, dont M. Gay dirige, pour pouvoir un peu renforcer les capacités de son entreprise mais également renforcer les capacités des élèves qui sont dans l'école. Mais la sélection a été laissée à l'initiative donc de BG Couture qui organisait un peu la session de formation puisque nous, nous avons un partenariat avec, euh, avec ce, disons, ce, partenaire ici au niveau de la région de Thiès. C'est lui qui connaît un peu euh, les, promoteurs qui sont en mesure de recevoir cette formation et sur cette base, euh, disons que les promoteurs ont été sélectionnés. Mais je peux juste dire qu'il il fallait quand même remplir certains critères. Le premier critère peut-être c'est euh, le fait déjà d'avoir une formation de base en couture. Et l'autre critère, c'est d'avoir une entreprise déjà qui est dans le secteur euh, de la couture et qui marche bien. Donc je pense que ce sont les, deux critères, disons, les principaux qui étaient déterminants pour faire partie de cette formation-là. Parfaitement, vous avez raison, le suivi est un aspect important mm. donc, dans ce genre de formation. D'ailleurs, la secrétaire générale de la Chambre de commerce l'a rappelé euh, que nous devrons faire des efforts pour que cette formation qui a déjà eu lieu puisse avoir une, autre, une deuxième phase. Et nous sommes disposés avec euh, la Chambre de commerce euh, à voir donc dans les prochains jours, dans les prochains mois, comment on pourrait faire revenir la même concert volontaire ou bien une autre concert volontaire qui a le même profil pour un peu suivre ce qui s'était passé ici. Parce que nous pensons que la région de Thiès aujourd'hui a un secteur, euh, disons, a un rôle important à jouer dans, le, dans la mode et nous pensons que cette formation participe évidemment à l'atteinte de ces objectifs-là. parce que émergence qualité mom limu ñu won yépp ci ni ñuy transformer ci ni ñuy jàng di ko commencé ci patron de base bi ba nga jëm ci li nga soxla ci li ngay wut yépp xamal nañu nan lay jaar ak appellation technique yi nga xam ne moom la ñu soxla yépp wax nañ ko am na itam tur yoo xam ne génneel ko daan nañ ko gis mais xamuñu nan la tudd wala dañ ko doon woy beneen tur mais teg nañu ci yoon ba xamal nañu ne nii la nga xam ne tey bu ñu ñeneen itam euh, ci biir monde bi suñu waxee ñoom ñu wax rek dinañ xam nan la ñi ma fi àndal ñëpp nag euh, ci seen kàddu lay waxee soxla nañu itam ay formation yu mel nii bëgg ñu ko fi yemale tey rek bëgg nañu itam ku ñu gunge ci manuel technique bi mu yor parce que gis nañ ne c' est très sophistiqué lu lu raar la am na fii mais yi ñu gis nii man boog man mosuma ko gis bëgg nañu itam ñoom bu fekkee mën nañu koo yombal ñu yombaluñu ko daf ñuy yokk rek parce que ñi nekk suñu ginnaaw dañoo bëri ñi ñuy jàngal ñi nga xam ne am nañu moyen ak ñi amul moyen dañoo xaw a yaatu te kenn ku nekk ci ñun yor nañu toll noonu ci seen atelier yi. léegi su ko defee ñu tam ñu mën koo tas ci xale yooyu ëllëg ñooy nekk avenir ëllëg ñooy demal ñun bés bu ñu demee ba dem rek ñoom ñooy continuer loolu itam bëgg nañu itam ñu jàppale ñu ci. waaw ñu kontaan trop itam ci yaatal bi ñuy yaatal fan yëpp ci chambre de commerce ñu mel ñu nekk suñu biir biir kër waaw loolu itam kontaan nañ ci président ñëw na ba fii bi ñuy tàmbali nemmeekuñu. xool naka la ñuy wéyale ñi fi des itam bëgguñu ñu am benn problème temps bi ñu fi nekkee kon boog euh, xëy na ci gàttal di leen sant di leen gërëm di leen wax ne li ngeen jàngal yëpp nekkul dégginu lantinoor dañ ko dégg jàpp ko ci suñu bopp te dañ koy jëfe bu soobee yàlla parce que évaluation day am ñu natt ñu ci li ñu jàngoon fii itam di dem ay foire di jaay di mën a di euh, am norme yoo xam ne bu ñu ci commandé lépp dina mën a tolloo bu ñu nee taay bii rek ñi fi def séminaire bi yëpp

qui nous ont toujours accompagnés, et euh, BG aussi, euh, qui cherche toujours à améliorer euh, les compétences dans le secteur de la formation. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que au moins, il cherche au moins à avancer, à se former, à se perfectionner. Et ça, c'est très rare, surtout à Thiès. et je remercie aussi les élèves mes, collègues euh, et, vous dire que vraiment la formation, euh, ça a beaucoup apporté. Euh, normalement, on aurait dû faire un modèle chacun, mais vu le temps restreint, mais c'est pour dire que tout le monde a travaillé sur les modèles. Il y en a qui ont piqué des pinces, il y a d'autres qui ont coupé, il y a d'autres qui ont toilé, mais ils ont suivi la formation. Même s'ils n'ont pas pu exécuter une pince ou une poche, donc euh, je pense que euh, tout le monde, ils ont beaucoup appris et euh, c'est vraiment une bonne initiative et si ça pouvait se pérenniser, ce serait bien parce que c'est ce qui manque beaucoup. C'est au niveau de la coupe. La coupe, c'est vraiment le problème et le montage aussi. Donc souvent, elles arrivent à monter, mais bon, c'est vrai qu'il y a certaines lacunes et je pense que on a pu partager nos connaissances et, euh, notre aussi notre euh, euh, je peux expliquer notre expérience. Donc ça a été un échange même avec Joël et qui a été vraiment très vraiment la collaboration s'est très bien passée. c'est quelqu'un de très simple et on a pu vraiment collaborer et faire des partages parce que souvent dans ces formations, c'est des partages. Et, euh, et, on apprend beaucoup de l'un et de l'autre. Donc euh, voilà ce que j'avais à dire. et vous montrer euh, les trucs du métier que j'ai pu acquérir euh, bon, chez moi. Euh, j'espère que ça vous a bien aidé et puis euh, j'aimerais bien continuer la collaboration si jamais l'occasion pouvait se répéter. J'ai découvert beaucoup de talents ici, euh, des talents que, que, l'on a tendance à perdre de mon, de mon côté de, du pays. Euh, des talents manuels, des talents de broderie, des talents de batik, des talents artistiques. Euh, je crois que c'est vraiment une richesse qu'il faut exploiter au niveau de l'habillement. Et puis, euh, les petits trucs techniques que vous allez pouvoir rajouter à ça vont juste euh, aller rehausser le produit au niveau de, de, la, de la coupe et puis de, de, l'actualisation euh, des modèles, dans le fond. je vous encourage à continuer dans vos créations et puis j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez faire. Monsieur le Président de la Chambre de commerce de, euh, Madame la Secrétaire Générale de la Chambre de commerce de Thiès, Monsieur Baba Gueye qui est le, directeur de BJ Couture, euh, Madame Joël qui est la formatrice, euh, participante, participantes, euh, chers journalistes. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de de remercier et de féliciter toutes les participantes qui ont eu à prendre part à cette formation. Et je suis tout à fait ravi de constater que la formation a été très pratique. J'ai vu des modèles qui, ma foi, euh, n'ont rien à envier aux modèles que j'ai l'habitude de voir un peu dans les journaux. C'est pour vous dire que euh, la formation a été très pratique et qu'elle pourrait évidemment vous servir dans le futur. Et je suis tout à fait euh, aussi ravi de constater que ça a été un engagement, un engagement de vous tous et de vous toutes, parce que tout simplement vous avez passé des jours à apprendre, si vous voulez, des modèles certainement que vous n'aviez pas l'habitude de, voir. Et c'est pour nous, euh, disons, euh, j'allais dire, un objectif, un objectif très important de faire en sorte que euh, nos partenaires du Sud puissent échanger des échanges, échanger des, des pratiques avec les conseillers volontaires qui arrivent. Donc je pense que c'est comme ça qu'on peut euh, renforcer la capacité et c'est comme ça qu'on pourrait évidemment aller vers l'excellence. Parce qu'aujourd'hui, Madame Sangré l'a dit, euh, nous sommes à une époque où pratiquement la région de Thiès, j'allais dire, pratiquement et vers une ouverture extérieure. Et quand vous dites ouverture extérieure, donc vous devez vous préparer aux différentes, aux différentes mutations qui se produisent un peu partout dans le monde. Vous allez être envahi, vous allez voir que Thiès sera de plus en plus visité. Et c'est à vous maintenant, artisans, surtout dans le secteur, disons, de la couture, de pouvoir être à niveau pour pouvoir un peu profiter de ce nouveau marché qui va arriver. Et donc, nous sommes tout à fait euh, disposés avec la Chambre de commerce, avec BG Couture, à faire des actions beaucoup plus approfondies que cela pour éventuellement vous permettre, disons, d'être des, euh, disons des, professionnels du secteur qui, en, qui sont en mesure, si vous voulez, de produire des modèles de qualité. Et Monsieur le Président, je vais aussi féliciter BG Couture parce que quand même, euh, je pense que la représentante des participantes l'a dit, euh, c'est quelqu'un quand même qui a une très grande vision de son métier. Quelqu'un qui a une très grande vision de son métier, c'est quelqu'un qui est capable de penser à l'avenir, de savoir que l'avenir c'est pas aujourd'hui mais c'est demain. Et c'est la raison pour laquelle depuis, euh, en tout cas, qu'il a été mis en contact avec Sako, euh, à chaque fois, il essaie de s'améliorer, de s'améliorer, mais aussi d'améliorer un peu le niveau de ses élèves parce que le fait, le brassage entre les élèves et les conseillers volontaires qui arrivent, ma foi, ça devait avoir un impact très important. C'est la raison pour laquelle je le félicite en tout cas de sa démarche, je le félicite de sa vision, je le félicite de son abdication, mais également de tout le rôle qu'il est en train de jouer donc pour le secteur de la mode en général dans la région de Thiès. S'il y a quelqu'un qui devrait recevoir un standing ovation, je pense que c'est bien Bouger Couture. Parce que c'est quelqu'un quand même qui est au-delà de son métier. Parce qu'il pouvait se dire que je suis dans mon métier, je vis dans mon métier, pour le reste, ce n'est pas tellement important. Mais il est en train de former des jeunes filles. Et je pense que c'est un acte très noble de vouloir partager ses connaissances, surtout avec des jeunes filles. Et c'est la raison pour laquelle que moi, je suis très satisfait parce que dans le cadre, nous, de notre coopération, surtout le Canada, l'aspect jeune fille, l'aspect femme en entrepreneuriat est un des, euh, disons, des aspects stratégiques de notre intervention actuellement là. Et c'est la raison pour laquelle je suis d'accord avec vous, Madame la Secrétaire Générale, de faire un suivi de cette formation. Parce que c'est comme ça, évidemment, qu'on pourrait, euh, comme je l'ai dit tantôt, atteindre l'excellence. Et Monsieur le Président, je vais terminer, je ne vais pas être long, par vous remercier. Et remercier Mme Sangaré qui s'investit personnellement pour euh, la collaboration que nous avons avec euh, la Chambre de commerce de Thiès. Et nous sommes tout à fait disposés dans toutes les actions qui vont se présenter. Parce que désormais, la Chambre va jouer un rôle très important dans le développement de la région. Avec le nouvel aéroport que vous venez de, euh, disons de recevoir, de démarrer, ça veut dire que Thiès va jouer sur un autre niveau, sur un autre palier. Et donc, la raison pour laquelle la Chambre de commerce aussi, comme euh, par rapport euh, aux, couturières, doit se préparer par rapport à ces échéances. Donc, juste, nous sommes en tout cas disposés à vous accompagner, à voir tous les projets structurants sur lesquels on pourrait travailler ensemble pour que la Chambre de commerce soit euh, en tout cas l'une des institutions les plus dynamiques de la région de Thiès. Donc euh, je voudrais enfin, euh, Monsieur le Président, féliciter Joël qui pendant quand même des jours a, a donné généreusement l'ensemble de ses connaissances. Donc félicitations à toi Joël et je sais qu'on ne va pas en rester là. On va tout faire pour que tu puisses revenir suivre cette formation puisque quand même tu as donné une formation de qualité et merci pour ça et félicitations à tous euh, et je vous remercie à vous.